The forum du studio the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou the forum du studio Kalamkou 18h passe de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. Euh, c'est dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré au football nigérien, état des lieux et perspectives de développement. Dans la première partie de ce forum, on va essayer de voir les réelles causes de l'insuffisance des résultats de nos équipes de football. plus, dans la seconde partie, nous parlerons des opportunités ou encore de l'importance du centre technique de la FENIFOOT récemment inauguré par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la République, Issoufou Mahamadou. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, on va essayer d'échanger ou de réfléchir sur l'avenir du football nigérien. Avec nous ce soir pour développer ce thème, M. Sekouberi Ibrahim, journaliste et chroniqueur sportif à la Voix du Sahel. Sekouberi Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également M. Roufaï Dandoua, chroniqueur sportif et rédacteur en chef du groupe de presse Liptako. Euh, Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Avant euh, de vous donner la parole, euh, écoutons d'abord la réaction du président de l'association nigérienne des supporters, porteurs, M. Hamani Nyandou, qui soulève quelques points qui minent le football nigérien. On l'écoute. On parle chaque fois du problème de notre football. Effectivement, le problème, ça ne manque pas. Pourquoi ça ne manque pas Vous savez que le football demande énormément de moyens. Donc, effectivement, vraiment, aujourd'hui, je peux dire que les moyens font défaut. Pourquoi les moyens font défaut Parce que quand vous prenez dans les autres pays, ceux qui mettent dans le championnat par rapport au Niger, vraiment, il y a une grande différence. Aujourd'hui, quand vous prenez, nous avons perdu malheureusement une sponsor, en l'occurrence euh, Orange, et cette fois-ci, on est branché avec RTL. Mais vous savez que RTL a signé avec euh, le championnat et, et les cadets, je pense que c'est 400 millions. Je, vraiment, je pense que vraiment c'est inférieur parce que quand vous prenez le championnat, demande énormément d'argent. Et qu'aujourd'hui, la force du football, en tout cas sur le championnat, il nous faut vraiment un championnat digne de ce nom, parce que bon, la Fédération nigérienne de football football des carcasses pour euh, chercher des moyens pour notre football. Mais en tout cas, l'État aussi doit faire un effort pour que le championnat puisse euh, vraiment avancer. Pourquoi l'État ne met pas les moyens Est-ce que l'État se désintéresse euh, du football euh, nigérien Bon, en tout cas, vous savez qu'il y a une différence entre le projet Gol et le financement de l'État. Parce que le projet Gol, c'est un financement de la FIFA. Donc, c'est des financements qu'ils font et ils viennent superviser bon, ce qu'ils ont mis comme moyen, bon, ce qui a été fait. Donc, l'État, c'est-à-dire quand vous prenez, il n'y a jamais vraiment, en tout cas, un budget qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale pour le sport. Donc vraiment, ça ne peut pas marcher parce qu'il faut qu'on se mette sur la table et qu'on négocie encore l'État qui nous appartient tous pour que vraiment le football, il faut financer pour que le football avance. Donc aujourd'hui, avec les maigres moyens, vous voyez vraiment les dirigeants des clubs et de la fédération se débrouillent en tout cas vraiment à faire un peu avancer notre football. Est-ce que ce n'est pas la crise de leadership qui secoue la foot qui est à la base euh, de cette euh, situation de léthargie Non, je pense qu'on est tous des Nigériens. Quand ça marche, il faut que nous soyons vraiment tous dans le bain. Mais aujourd'hui, quand ça ne marche pas, il y a toujours des problèmes. Pourquoi il y a toujours des problèmes Parce que c'est comme je peux dire que c'est un problème des personnes, hein, excusez-moi du terme, parce que bon, quand je suis pas dans les affaires, je ne veux pas que ça marche. Ah non, ce pays-là nous appartient tous. Quand nous avons eu nos qualifications en Coupe d'Afrique, au Chan, mais on parle que du Niger, on ne parle pas de Pelé ni du premier capitaine de l'équipe nationale, en l'occurrence euh, El Hadjissou Mahamadou. Mais on parle du Niger. Donc ce pays nous appartient. Il faut qu'on nous travaillons tous ensemble pour encore, en tout cas, faire développer euh, le football nigérien. Parce que nous sommes en train de punir la jeunesse nigérienne. Pourquoi je suis en train de dire ça Ouais, dans les autres pays, des jeunes de 19 ans qui sont des pros à l'extérieur, qui gagnent des millions, mais leurs parents sont satisfaits. Mais aujourd'hui, quand vous prenez chez nous, si le championnat est faible, vraiment, on ne peut pas avoir des pros à l'extérieur. Donc franchement, il faut qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse. Ce pays-là nous appartient. Nous devons travailler en tout cas pour ce pays et la jeunesse nigérienne. Depuis un certain temps, le Niger ne gagne même pas ici au plan national en ces matchs. Est-ce qu'il y a un problème de coaching mais ça, ça, ça ne manque pas parce que je peux vous dire qu'en tout cas, nos coachs hein, à l'heure actuelle, en tout cas, ne sais pas. Parce que c'est des éducateurs. Donc ces éducateurs-là, je ne pense pas qu'ils arrivent vraiment à éduquer ces enfants-là. Donc c'est pourquoi ça ne marche pas. Quand vous prenez, il y a des locaux à l'extérieur qui font, vous prenez en RDC, mais le sélectionneur c'est un local. Et ça marche pour la RDC. Mais nos entraîneurs ici locaux. Mais est-ce que point d'interrogation. Ils ont un niveau pour faire avancer notre football. Et si on appelle, euh, on fait appel aussi aux expatriés, vraiment ces gens-là, ils sont mécontents. Non, il faut continuer aussi à éduquer dans votre éducation pour éduquer les, ces jeunes-là. Quand vous prenez une équipe nationale, en tout cas, je parle de l'ensemble de nos coachs, mais qui a fait, par exemple, fabriquer un joueur donc vous voyez, donc il y a ce problème-là. On crée les joueurs. Il nous manque aussi des centres de formation dignes de ce nom pour avoir des talents. Nous retournons dans ce studio du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle avec euh, vous d'abord Sekouber Ibrahim, chroniqueur sportif euh, de la Voix du Sahel. Sekouber Ibrahim, vous venez là d'écouter euh, Haman Nyandou que vous connaissez. Haman Nyandou, c'est le président de l'association nigérienne des supporters. Quelle réaction c'est la suite en vous oui, bon, c'est vrai qu'il a effleuré, sans être exhaustif, les difficultés inhérentes au football. C'est clair qu'il euh, a vraiment touché du doigt là où ça fait mal. C'est des problèmes qui existent, réels, mais à cela, il faut également ajouter d'autres problèmes. C'est vrai que le football, en tout cas, même pas tout sport, je dis, forcément, nécessite, euh, pour quand même se pratiquer, nécessite énormément de moyens, surtout le football. Donc, euh, je pense que ça fait partie. C'est vrai qu'il a effleuré certains euh, sujets qui, en tout cas, qui fâchent et qui, qui sont des réalités de notre football notamment quand il dit que l'État n'est oui, pas les moyens. C'est une évidence. L'État est absent. L'État est absent parce que euh, juste l'État peut-être supporte les équipes nationales et même ça, c'est l'équipe A généralement. Pour les cadets et autres juniors, c'est extrêmement difficile. Alors, pour, si vous voulez jouer au football ou si vous voulez avoir des résultats, c'est toute la chaîne que l'État doit intervenir. Parce qu'aujourd'hui, l'État doit intervenir dans le déroulement du championnat. L'État doit injecter des fonds pour que le championnat puisse se et je pense que si l'État n'a pas aujourd'hui, c'est vrai que les difficultés sont là. Je parle de, elles sont d'ordre euh, financier. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas. Peut-être que l'État, en tant qu'État, a des mécanismes quand même pour trouver l'argent, pour faire quand même. Euh, je ne parle pas seulement du football. C'est vrai que votre sujet sur le football, mais le sport en général, pour le faire, il faut de l'argent. Et si l'État n'a pas les moyens de le faire, il faut que l'État trouve un mécanisme de financement du sport. Et l'État peut le faire. Sekouber Ibrahim, est-ce que la crise de leadership au sommet de l'instance footballistique euh, nigérienne ou encore euh, du ministère de tutelle peut expliquer cette situation je, de ne sais pas de quoi vous parlez quand vous dites crise de leadership. Euh, je ne sais pas. Au niveau de, la, Ligue régionale du Niamey. Une, ligue, ne peut pas. Une ligue reste une ligue. Quand vous avez. Il y a huit, huit régions. Chaque région a sa ligue, mais normalement, c'est les ligues même qui doivent organiser le championnat. Mais les ligues n'ont pas l'argent, ils sont obligés de se blottir derrière la fédération pour que le championnat se déroule. Présentement, c'est la fédération qui cherche ses moyens et qui les met à la disposition des ligues pour que le championnat se joue. Donc, je ne, sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez de leadership, puisqu'il y a la fédération qui cherche ses moyens à travers ses sponsors et qui dit aux différentes ligues. Voilà ce que je peux vous donner. Organisez-moi le championnat. Est-ce qu'il y a des Nigériens qui peuvent être à la base de cette léthargie comme, le pense le président de l'association Non, supporters. non moi, je, moi, je ne réduis pas le football à des individus. De toutes les façons, forcément, tout le monde ne peut pas être unanime. Tout le monde ne peut pas avoir la même vision, forcément. Et d'ailleurs, en toute chose, vous ne pouvez pas avoir l'unanimité, la pensée unique. Forcément, il faut même déjà qui, qui vous disent que ça ne va pas si tout le monde a la pensée unique, je pense que c'est foutu. Rufai Dandoua, vous êtes euh, chroniqueur sportif, rédacteur en chef du groupe de presse euh, Liptako. selon vous, qu'est-ce qui explique euh, la contre-performance de nos équipes ça c'est je pense que ça c'est un manque de préparation si par exemple on prend nos deux clubs qui ont été éliminés récemment l'AS Fan et l'AS Douane je crus comprendre que c'était juste euh, cette fameuse formule, l'essentiel c'est de participer. Puisque lorsque vous vous qualifiez pour jouer des compétitions internationales, vous devez vous dire que les joueurs qui ont joué le championnat ne doivent pas être les mêmes pour jouer une compétition africaine. Une compétition africaine, c'est un autre niveau. Or, on s'était rendu compte que l'ASFAN et l'ASDOAN avaient commencé cette compétition avec presque le même effectif. Bien sûr que la avait pris des joueurs comme eh, Kassali, comme eh, Sakou et Issam aussi. Mais quand vous prenez les deux premiers joueurs cités, Kassali et Sakou, vous vous rendez compte que c'est des joueurs qui sont vieillissants, qui sont plus sur une pente descendante qu'ascendante. Ils sont sur la fin que sur le début. Quand vous prenez Issam aussi, c'est un joueur qui ne peut pas dépasser 30 minutes, il ne peut même pas commencer le match. Bref, je pense que la préparation a été eh, eh, faussée. Quand vous prenez la star, par exemple, de la c'est qui c'est Adebayor, aujourd'hui Adebayor, eh, on est au regret de le dire, mais il est plus en, déclin malgré <coughs> son âge, 22 eh, ou 23 ans, malgré le talent qu'il qu'il a, Aujourd'hui, au lieu de progresser, il ne fait que régresser. Prenez la, euh, fan fan était parti avec presque le même effectif pour rencontrer le la le champion de la Côte d'Ivoire, qui, euh, on, peut dire, supposé être supérieur à, à, à, Je dis supposé, parce que c'est la Côte d'Ivoire et le Niger. Mais lorsque aussi, malgré eh, cet effectif qui n'était pas pléthorique, tant en qualité qu'en quantité, on part là-bas, eh, bêtement ou naïvement, on se fait euh, battre 3 buts à 0, alors que ici au retour, on s'est rendu compte que cette équipe n'était pas aussi forte qu'elle ne l'était, puisque actuellement elle est huitième de son championnat, alors que l'ASFAN ici est en train de dominer largement le championnat du Niger. Vous voyez l'écart de niveau qu'il y a entre ces clubs et le nôtre. Donc, en, en plus, de l'impréparation qui a été faite. Je pense aussi qu'il y a un manque d'envie, il y a un manque d'objectif, il y a un manque de motivation qui nous permet aujourd'hui d'aller de l'avant. C'est là où je pense que notre football, au-delà du manque de moyens, il y a aussi eh, un manque de vision. Puisque quand vous voyez, c'est presque partout dans les pays africains, vous avez plus d'infrastructures sportives ou de football que des joueurs pour jouer au football. Le football, c'est le seul sport où avec rien vous pouvez jouer. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, comme le basketball, d'avoir un terrain goudronné avec des, des paniers pour jouer. Non, le football, vous pouvez même prendre eh, eh, eh, de, l'éponge euh, ou une chaussette pour jouer. On l'a fait quand on était petit. C'est pour ça que tout le monde peut jouer eh, ce football. Donc, aussi longtemps qu'on va rester sans être, sans aller vers la professionnalisation, puisque qu'est-ce que j'ai dit et eh, qu'est-ce que je veux dire tout à l'heure, Sekou l'a évoqué quand il dit que c'est la fédération qui organise le championnat. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, presque partout en Europe, surtout, ce sont les ligues de football professionnel qui organisent le championnat. L'équipe nationale ne gère que les euh, la fédération ne gère que les équipes nationales. Et quand vous gérez l'équipe nationale, ou les équipes nationales, parce qu'il y a les seniors, il y a les juniors, il y a les cadets, il y a l'équipe aussi qui joue le chan, ou l'équipe qui joue le Lyoma, il y a les dames. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup. Lorsque, encore, on va vous dire, il faut que vous gériez le championnat vous voyez que le championnat qui se joue sur une année. En plus de ce championnat, il faut que vous gériez aussi le championnat de deuxième division. Je pense qu'il eh, y a beaucoup de choses. Et surtout lorsqu'on a une administration qui ne fonctionne pas, je parle sous le contrôle de Sekou qui est à la FENIFOOT, je me dis aujourd'hui que d'abord, il y en a beaucoup au sein de l'administration ou au sein même du bureau de la FENIFOOT qui n'ont pas l'amour ou la passion comme peut-être peut, l'avoir le président de la FENIFOOT. Bien sûr euh, qu'on a des, des, divergences au sein de la compréhension ou au sein de l'appréhension des choses. Bien sûr, les gens disent que parce que tu critiques, tu n'aimes pas un tel ou parce que tu es avec lui, tu l'aimes. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème se situe au niveau où il faut savoir est-ce que les gens qui sont là. Donc, selon vous, ce n'est pas, pas, un problème de, crise de leadership Il n'y a pas de problème de, leadership aujourd'hui. Pourquoi je dis ça je, suis sûr que vous faites allusion à ce qui s'est passé avec le président de la Ligue. Ça, c'est un autre problème. Ça ne peut pas empêcher au football nigérien de, de fonctionner parce que euh, l'affaire-là a commencé avant-hier, si on peut le dire. Mais non, le problème du football nigérien, c'est quoi On est qualifié à deux cannes. Je crois qu'il y a une phrase que le capitaine du MENA avait dite un moment et qui avait passé inaperçue. Mazou, lorsqu'on avait été éliminé ici au Niger, moi je, lui avais posé la question. Il dit Regardez, même la Gambie est en train de se qualifier à la Cannes, alors que nous, après deux Cannes, aujourd'hui, on est là. On ne peut même pas se qualifier. Autre chose, prenez encore. Eh, malgré les deux cannes, malgré le chan, malgré l'UEMOA que nous avons gagné, quand vous prenez aujourd'hui encore sur le maillot du MENA, on n'a pas d'équipementier. On est presque l'un des rares pays à n'avoir pas d'équipementier. Aujourd'hui encore, le Niger, malgré les deux qualifications, il faut qu'on achète nos maillots pour porter. Alors que rien qu'avant-hier, comparaison n'est pas raison. Vous allez dire que je suis un, doux rêveur. L'équipe de France a signé le contrat du siècle avec Nike. 50 millions d'euros, je crois, par année pour porter la marque à la virgule Rien que pour ça, un an, ils ont 50 millions d'euros. Or, nous, il faut encore aujourd'hui qu'on achète nos maillots avec peut-être Tovio ou avec qui l'a pour porter. C'est là le problème de la vraie vision de nos dirigeants. Qu'est-ce que nos dirigeants veulent Est-ce qu'ils veulent un football de qualité ou bien ils veulent juste eh, du folklore il faut se poser la question. Euh, Ibrahim, euh, avant quand même, euh, euh, nos joueurs gagnaient à, domicile et même à l'étranger. Mais maintenant, <laughs> même à domicile, c'est très, très, très, très compliqué pour nos joueurs. Euh, est-ce qu'il y a un problème de coaching au Niger Non, je vous dis, le problème, c'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés. Il y en a tellement, on ne peut pas faire l'inventaire dans ce débat-là. Il y en a tellement de problèmes. Le coaching, c'est ça, c'est un problème mineur. Même je pense qu'il faut d'abord disposer de, de, de, de joueurs de qualité aujourd'hui, c'est un véritable problème pour le football nigérien. Ça, je voulais dire. Donc, vous, voulez, dire que euh, la FENIFOOT n'a pas su préparer la relève Non, pas la FENIFOOT qui prépare la relève. En réalité, aujourd'hui, la FENIFOOT est venue avant-hier. Mais avant la FENIFOOT, il y avait la FENIFOOT, non Aujourd'hui, la difficulté, avant, vous parlez d'avant, on gagnait. C'est vrai, avant, on avait les joueurs. C'était des joueurs pétris de talent naturels et qui aimaient la chose. Aujourd'hui, avec euh, l'intrusion de l'argent les joueurs, ils sont plus enclins à aller chercher l'argent qu'à jouer au football. Aujourd'hui, vous voyez un joueur qui fait juste une saison, il marque deux ou trois buts, il vient vous trouver, vous, en tant que journaliste, ah, moi, je veux les images là parce qu'il y a un blanc qui m'a dit d'envoyer. Vous voyez bien déjà que c'est faussé, le principe. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, que tous les Nigériens connaissent aujourd'hui, en tout cas, tous les férus du baron rond, on n'a pas du oh, Tout à l'heure, il parlait de. On a voulu faire du neuf avec du vieux au, niveau de l'AS Douane. On a voulu ressasser euh, certains joueurs qui ont fait la gloire de l'équipe nationale aujourd'hui, qui, sont plus, euh, qui sont au moins euh, trentenaires ou au-delà. On a voulu, on les a recrutés, on pensait qu'on a fait le bon choix. Mais on s'est rendu compte à l'évidence qu'on a voulu faire du neuf avec du vieux. Et le résultat est là. Imparable, on a été éliminé. L'équipe de l'AS Douane a été éliminée alors que l'AS Douane normalement de Est-ce que est-ce que c'est des talents qui manquent ou bien c'est des problèmes il y a des problèmes pour pouvoir les détecter Le problème aujourd'hui, on ne trouve même pas les joueurs. C'est ça la difficulté. Je vous dis que c'est un débat de fond. Il est là, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est les mêmes qui tournent pendant 10, 15 ans, les mêmes joueurs. Ils font ce club-là, après l'année qui suit, ils trouvent un contrat, ils, sautent pour aller. Et finalement, on n'a pas, c'est vrai, les gens n'ont pas une vision. En tout cas, tous ceux qui sont venus, parce qu'à un moment, il y avait tellement de crises au niveau de la Fénéfoot, les gens ont voulu eh, gérer le quotidien au lieu de penser d'avoir cette vision cette vision, elle va au-delà de la fédération. Elle doit être même une vision nationale au niveau du ministère des Sports pour quand même nous nous sortir une politique nationale de sport avec des visions claires. Alors concrètement, qu'est-ce que la FENIFITO est en train de faire euh, maintenant euh, pour pouvoir euh, doter le Niger d'une bonne équipe, nationale Mais la FENIFOOT, aujourd'hui, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, la FENIFOOT se trouve justement, justement bloquée parce que c'est les mêmes joueurs qui sont là. C'est eux qui doivent jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Cameroun 2019, c'est eux qui doivent jouer le chant. Mais vous voulez qu'on fasse quoi Il ne faut pas que ça, étonne qui que ce soit, surtout avec des adversaires euh, comme l'Égypte, comme la Tunisie. Il ne faut pas rêver. C'est vrai qu'il ne faut pas être pessimiste aussi, parce que c'est vrai, on a battu l'Égypte ici, on a battu l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, cette dynamique-là, elle n'est pas là, puisque la matière n'est pas là. Rufai Dandoua, vous êtes euh, euh, journaliste sportif, euh, vous êtes le rédacteur en chef du groupe de presse Leptaku Avant, nos joueurs gagnaient quand même ici à domicile et même à l'étranger, mais maintenant, même à domicile, c'est très compliqué pour nos joueurs. Est-ce qu'il y a un problème de coaching Où, où se, situe concrètement le, savez, problème Vous savez, quoi qu'on dise, on a beau tourner autour du pot, on va revenir à ce qu'on se dit, c'est la vision. Il, il a manqué une de vision autour de notre football. Et, aujourd'hui, avec du recul, après avoir fait des analyses, on se rend compte que nos qualifications à la Coupe du Monde 2012 et 2013, à la Coupe d'Afrique, c'est un rêve peut-être, nous ont fait plus du mal que du bien. Pourquoi je dis cela Parce qu'on s'était vu trop beau. Lorsqu'on avait battu l'Égypte ici, on avait battu l'Afrique du Sud et on s'était qualifié à la Cannes 2012. Eh, et comme il y avait une autre canne qui se préparait juste un an après, on était exempt des préliminaires. Donc on avait joué juste le dernier match face à la Guinée. Et la chance nous euh, aidant, on devait jouer le match retour tous les, 16 euh, pays qualifiés devaient jouer le match retour à la maison. Vous voyez, ça, euh, on, les avait favorisés. On a joué la Guinée, on avait perdu 1-0 avec tous les problèmes qu'il y avait. Au retour, on a gagné 2-0, on est parti à la carte. Aujourd'hui, à partir de là, on pensait qu'on a atteint le niveau, tous les Nigériens, hein, même nous, les journalistes sportifs, on s'était vite trop beau. On pensait qu'on a atteint le niveau du, du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte qu'on avait battu. Or, il y a une phrase qu'un dirigeant avait dite à l'époque. Il dit non, ce n'est même pas le joueur qui se qualifie. C'est nous qui cherchons les marabouts et les imams pour faire le travail pour se qualifier. Déjà à l'époque, on avait eh, sous-estimé le niveau des joueurs. Et en plus de cela, ce qu'on avait dit, les mêmes joueurs, ce sont les mêmes eh, de 2000 à aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe nationale, c'est presque les mêmes joueurs qui tournent et qui sont là. Il y a des joueurs qui ont 40 ans, auxquels on a diminué l'âge. Selon, selon, vous, à qui la faute À nous tous. Comment expliquez expliquez nous, nous, vous savez, ici au Niger, par exemple, lorsque tu n'es pas avec quelqu'un, on dit que tu es contre lui. La fameuse théorie Bush, à l'époque de la guerre de l'Irak, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. C'est ça le problème. Or, nous, par exemple, quand tu prends nous les journalistes, notre rôle, ce n'est pas de caresser les, dirigeants, ce n'est pas d'être des amis ou de critiquer pour, proposer des solutions. On n'est pas obligé de proposer des solutions. C'est ce que je, me suis à dire aux gens. Non, il y a des gens qui sont là qu'on paye pour chercher des solutions. L'équipe nationale, le MENA, ceux qui le savent bien, à la fédération, il y a des entraîneurs nationaux qui sont là, qui sont payés pour faire ce travail. Nous, quand on voit que ça ne va pas, on dit attention, c'est ça notre travail. Attention, ça ne va pas. Ce que vous avez fait et ce que euh, vous, êtes en train de faire n'est pas bon. Regardez ce que l'autre fait, c'est mieux. On critique et on donne une petite piste de réflexion. Mais ce n'est pas à nous de venir donner des, euh, solutions alors qu'il y a des gens qui sont payés par nous. C'est d'attirer l'attention. Quand vous prenez aussi, par exemple, de l'autre côté, certains dirigeants à la Fénifoot. ils sont là juste parce qu'il y a à manger. Il a parlé de l'argent, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a de l'argent au sein des fédérations. La FIFA verse l'argent. Je ne sais pas si Yann eh, eh, eh, Infantine, Infantino, lors de la dernière visite, a, voulu se faire très beau en disant Aujourd'hui, on est passé de 32 millions d'euros à 95 millions. Jusqu'à 100 millions Jusqu'à 100, millions, Là, vous voyez, ça ouvre les yeux aux gens. Ça veut dire que au sein des fédérations, il y a de l'argent. Et on se rend compte que certains sont là pour de l'argent. Bien sûr qu'il y a des gens qui. Est-ce que cette, euh, cette situation n'attire pas la guerre Bien sûr, quand il y a de l'argent, c'est comme ça. Tout à l'heure, Sekou dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais maintenant, avec euh, la chirurgie esthétique, elle peut donner même ce qu'elle n'a pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le football nigérien, en plus du fait qu'il y, qu'il y a manqué de vision, en plus du fait aussi <clears throat> qu'il n'y ait pas d'argent, c'est que le peu qu'on a, au lieu de l'investir là où il le faut, on ne le fait pas, on l'investit ailleurs. C'est bien d'ouvrir, de, d'ouvrir par exemple, un centre technique, on en a besoin. Mais est-ce que d'autres choses qu'on fait, c'est bon Je ne pense pas. Je pense aujourd'hui, le football nigérien, puisque il n'y a pas de guerre. Moi, je ne crois pas à la guerre entre euh, la preuve et pas de leur leadership. Mais toujours quand il y a des élections qui viennent, c'est comme en politique dans un pays pour succéder à un président. Il y a des micmacs qui se font en, en bas, il y a des coups bas qui se font même en face. Ça, c'est normal. Mais il faut se dire que lorsque tu veux venir au sein d'une fédération nigérienne de football, comme eh, ce qu'on a, il faut être porteur d'un projet c'est quoi être porteur d'un projet C'est de dire voilà ce que je vais faire une fois que j'arrive à la tête de la FENIFO et ce qu'il faut faire aujourd'hui, il n'y a pas de magie. Il faut, il faut retourner à la base. Sinon, si on mm. reste comme ça, on va se faire éliminer par l'Égypte ou la Tunisie parce qu'on ne bosse pas dans la même catégorie. Sekouber Ibrahim, rapidement, si vous avez quelque chose, certainement vous avez quelque chose euh, à C'est sûr qu'il euh, a, il a vraiment euh, ouvert véritablement le débat parce que euh, c'est vrai que la vision, je le, je le disais tantôt, aujourd'hui la vision, c'est vrai qu'on euh, aurait pu avoir cette vision, je parle pas, quand je dis on aurait, je parle de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un débat, c'est. S'il y a une débâcle, c'est collectif. Donc, je pense que euh, l'objectif que chacun, normalement, il a parlé de programme. Mais la difficulté, vous pouvez venir avec un programme excellent où tu mets tout dedans, un fourre-tout. Mais la difficulté, est-ce que tu as les moyens de, le faire Restez avec nous sur le studio Kalangou. Notre débat continue dans un instant. La deuxième partie de ce forum traite des opportunités ou encore euh, l'importance du tout nouveau centre technique de la FENIFOOT, récemment inauguré par le président de la FIFA Gianni Infantino et le président de la République Issoufou Mahamadou. Mais avant, écoutons euh, à nouveau le président de l'Association nigérienne des supporters euh, qui met lui l'accent sur l'entretien du centre. Tout le monde a vu le centre, comment le centre a été vraiment eh, travaillé. Donc, c'est-à-dire, je parle d'abord de l'entretien. Ce n'est pas la construction, mais l'entretien de ce centre-là d'abord. Et que si vraiment on met les moyens de plus encore, je sais que nous allons avoir vraiment de talent à travers ce centre. Parce que dans ce centre-là, vous avez vu, il y a au moins trois terrains. Il y a un terrain sableux, un terrain synthétique et un terrain gazonné. Donc vous voyez vraiment avec ce centre-là, et si nous allons essayer de créer par exemple une école de formation au niveau de ce centre-là, franchement ça va aller. Si vous prenez le cas des cadets, mais ils sont internés là-bas, ça fait plus de trois mois. Donc vous voyez, et tout à l'heure vous avez évoqué que nous ne gagnons pas nos matchs ni à Niamey ni à l'extérieur. Et vous avez vu, nos cadets sont qualifiés à l'extérieur. Parce que, c'est-à-dire, moralement, moralement, cest dire je pense que ces enfants-là ont pris la décision de faire qualifier notre pays. Mais les, seniors n'ont pas cet esprit comme euh, les enfants qu'ils m'en excusent. Hein. Les cadets sont qualifiés à, Libreville au Gabon. On a fait après un match 1-0 ici et ils sont partis faire 3-3 à l'extérieur. Mais ça fait combien de temps que le Niger n'a pas gagné à l'extérieur Si je peux compter, on a éliminé le Togo du Chan euh, chez eux au Togo. On a gagné le Togo chez eux, par exemple, Ali et moi. Sinon, on peut les compter au bout du doigt. Il faut qu'on se dise la vérité. Rufai Dandoua, euh, vous qui vous êtes euh, euh, journaliste sportif, chronique, rédacteur en chef du groupe de presse Leptaco, le centre technique de la FENIFOOT, quel apport pour le football nigérien Hmm, on, aime bien citer un exemple, par exemple, Fontaine en France, lorsqu'on parle de, de centre de, technique de football où eh, les grands entraîneurs se font former ou des, grandes pépites se sont formées. Donc, je pense qu'avoir un centre de formation ici au Niger, si tant est que eh, il va servir, par exemple, à avoir un bon centre où on va eh, faire éclore des joueurs qui seront l'avenir du football nigérien. Je, je, suis preneur, je suis entièrement d'accord. Lorsque, par exemple, Black disait que non, les juniors, les cadets ont gagné à Libre. Black, Black, vous faites allusion au président de l'association nigérienne des supporters. Oui, ce n'est pas la même chose avec les seniors <laughs> les, juniors, c'est toujours. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui, se trament autour. Mais quand vous prenez par exemple les seniors, c'est différent. Ah, c'est comme par exemple quand le Nigeria gagne la Coupe du Monde des cadets ou des juniors, mais dès qu'ils sont aux seniors, ce n'est plus, la, ce n'est plus le cas. C'est différent. Ça, je pense que quand on dit qu'on gagne à, domicile ou à l'extérieur, on parle des seniors, pas des juniors ou des cadets. Maintenant, le centre technique. Vraiment, si le centre technique. Moi, ma seule, ma seule crainte, c'est que ce centre technique Surtout qu'il y a un hôtel dedans, connaissant nos gens, que ça soit eh, déformé en autre chose. Mais sinon, si c'est pour amener, par exemple, les joueurs de l'équipe nationale eh, pour la mise au vert ou pour la préparation, si c'est pour amener, par exemple, les équipes nationales, au lieu de leur prendre des hôtels et eh, avec des coûts exorbitants et les, les héberger là-bas pendant un ou deux jours le temps de jouer leur match et de partir, c'est bien. Mais maintenant, comme il l'a dit, Black, c'est l'entretien. Vous allez voir aujourd'hui, et revenez dans 3, 4 ou 6 mois au centre technique qu'on a inauguré en grande pompe avec le président de la République, avec tous ces qu'on a de, personnalités personnalité au Niger, avec Gianni Infantino, avec le président de la FENIFOOT. C'était bien, c'était beau même si on en a fait trop. Mais revenez voir dans six mois. Parce que maintenant, personne ne voit. Vous allez voir même. Vous, êtes, vous êtes, pessimiste alors, quant à son entretien. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je dis ce que je sais et ce que je vois. Maintenant, bien sûr que je peux me tromper. Et j'espère me tromper. Parce que si je me trompe, c'est pour le bien de tous. Mais, connaissant nos gens, vous allez voir, vous allez revenir, ça va être ne sera même pas désinfecté, ça peut même donner des maladies aux joueurs. À un moment, il n'y avait même pas de l'électricité, il n'y avait pas d'eau. Les joueurs, je me rappelle, lorsque Mazou avait refusé de, de rester là-bas, tout comme Kofi, donc quoi, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il y avait trop de moustiques. Même si l'État du Niger a dit euh, prendre en charge et l'eau et l'électricité. Ça encore, c'est avoir voir, ce sont les promesses de l'État et les promesses d'engagement que ceux qui les écoutent. Moi, je veux vraiment, au même titre que Black l'a dit, que maintenant qu'il y ait un suivi important pour que ce centre qui a été eh, construit à grands frais avec l'argent du contribuable nigérien soit bien entretenu pour le bien de tous. C'est Kouberi Ibrahim de la voie Voix du Sahel, le centre <laughs> technique de la FENIFOOT. je, euh, je, rectifie juste euh, pour dire qu'à Roufaï, ce n'est pas l'argent du contribuable nigérien qui a construit ce centre, c'est l'argent de la FIFA. À travers, à travers le projet la, non, je sais, je il y a, il vous, aurez la parole. ah, je réponds, il faut juste lever l'équivoque. Lorsque l'argent de la FIFA vient dans un pays, il devient l'argent du contribuable. Ce, débat s'est posé au Cameroun lorsque l'argent a été détourné. Et en plus de ça, il n'y a pas que l'argent de la FIFA. vous n'avez pas la parole. Vous, aurez, l'occasion de. Moi, allez dis que euh, l'argent, c'est la FIFA qui pilote son argent, c'est la FIFA qui donne son argent, c'est la FIFA qui envoie les audits, c'est avec, euh, peut-être qu'il ne le sait pas, mais euh, en termes de, d'activité au niveau de la FIFA, au niveau de ce projet Goal, donc euh, c'est la FIFA qui s'en occupe avec ses auditeurs, avec, par exemple, si vous voulez construire, vous, vous mettez le projet au niveau de la FIFA, vous, vous le soumettez, ils vous donnent leur accord, Maintenant, il y a des gens chargés, par exemple, vous, vous envoyez le plan, l'architecte, c'est avec la FIFA. Donc, à ce niveau, je, ne pense pas que ce problème puisse se poser, puisque de toute évidence, euh, le centre technique aujourd'hui, il est là. Ça a coûté un milliard et quelques mais le 1 milliard et quelques là, ce n'est pas euh, justement la franc CFA. De CFA, oui. Ce n'est pas parce que euh, ça a commencé depuis 2000 ah, pratiquement. C'était au temps de Himasoulé en ce moment. Il a fait une il a mis sa, sa première touche. Ensuite, euh, il y a eu le colonel Gallo qui est venu. Il a mis sa touche. Aujourd'hui, Pelé aussi a mis sa touche. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de touches. Oui, mais, mais c'est comme ça. On est au cinquième goal alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas, qui sont même pas à deux, parce que c'est en fonction plus une, prouesse, vous voulez dire Oui, parce que ce n'est pas évident. Il y a des pays qui cherchent parce que quand, quand il, ce n'est pas clair, ils ne vous, ils accordent pas le goal suivant. Donc nous, on est à cinq goals. Je pense qu'on est à féliciter. Même la Est-ce que, que l'argent a été très bien entretenu C'est ça que je suis en train de Très bien géré ça, moi, je ne peux pas vous le dire. C'est la FIFA. Cette question, vous devez la poser à la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui envoie ses auditeurs. C'est la FIFA qui décaisse. Et le, décaissement se fait entre l'architecte, par exemple, ou celui qui est en tout cas chargé de suivre les travaux et l'entreprise. Donc euh, vraiment en termes de le setup technique, est-ce un début de solution Si maintenant tout dépend, parce que c'est ça l'objectif premier. Il fallait d'abord trouver un outil, un instrument où on pouvait commencer la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le centre, il y a, je ne sais pas si vous le savez, il y a une école dedans, vous le savez, où on peut accueillir des pensionnaires. Il y a des maisons, il y a des. Euh, sans même l'hôtel, il y a déjà des lieux d'hébergement pour ces joueurs, climatisés et autres. Euh, y des. Bon, les bungalows, c'est avec l'hôtel. <laughs> Mais maintenant, la difficulté, c'est qui. C'est vrai que peut-être que les gens seront un peu déçus. Mais la difficulté, c'est vrai que le centre est là. Mais maintenant, pour avoir des pensionnaires, il faut de l'argent, non mais est-ce qu'aujourd'hui, la Fénifout n'a pas les moyens de, prendre des, pensionnaires La Fénifout n'a pas les moyens. Aujourd'hui, celui qui peut prendre les pensionnaires, c'est l'État. L'État prend des, la FENIFOOT, fait la sélection, il l'amène, voilà, il dit à l'État, voilà ce qu'on a eu, peut-être une vingtaine, pas plus, voilà, pour, trois ans. Maintenant, c'est à l'État de trouver à manger, à donner à manger à ces jeunes et à trouver des enseignants pour ces jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a les moyens Je ne peux pas. Ibrahim, rapidement, on est, un peu vite par l'heure. Euh, comment faire euh, profiter les joueurs de l'intérieur par rapport à la gestion de ce centre Oui, mais les, joueurs de l'intérieur en profitent déjà parce qu'au niveau du championnat, les équipes qui viennent ici, ils sont directement logés au centre. Donc déjà, c'est un, atout de gagner parce que avant, les joueurs étaient dans les Samariens, je ne sais pas si vous le savez, et ils dormaient à même le sol, sur des nattes. Mais avec justement le centre technique, depuis plus de deux ou trois ans, ces joueurs-là, quand ils viennent de l'intérieur, ils, ils vont directement au centre. Pour, pour, pour, en tout cas rester là-bas et se préparer leur match et aller jouer. Rufai Dandoua du groupe de presse euh, Leptaco, le centre technique euh, peut-il euh, soulager, pour ne pas dire mettre fin au calvaire des joueurs des différentes équipes qui manquent d'infrastructures techniques et d'hébergement non, je, comme, comme ce que l'a dit, c'est un début de solution. surtout, moi, je pense que c'est surtout dans la formation des jeunes que ce centre doit servir, surtout plus à quelque chose que On doit, on doit amener, on doit avoir un centre technique puisqu'il y a déjà une école qui peut eh, servir d'abord à ces jeunes d'étudier en même temps d'apprendre eh, le football. Moi, rapidement. oui, moi, à ma connaissance, ça doit être le cas. Maintenant, eh, le seul point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est quand elle parle de, de la bonne gestion, de la bonne, de la transparence dans de la gestion des fonds. On a vu ici ce même centre où il y avait eh, une société Satom, pour ne pas la nommer, qui a fait euh, une piste gratuitement, on l'avait facturé, je crois, à 200 millions à l'époque. Ben, ben, ben, on, avait, amené. on ne va pas faire le débat pour la chose. Non, non, vous n'avez pas la parole. On, évolue, euh, hein. oui, on euh, évolue. moi, je veux que ce centre eh, serve surtout à former, à faire éclore des jeunes qui seront l'avenir du football nigérien. Aujourd'hui, au Niger, pas seulement à Niamey, et on l'a vu euh, au tournoi Talent, qu'il y avait de très bons euh, jeunes qui étaient venus ici, qui ont gagné. Niamey n'avait même pas gagné parce que les joueurs étaient en équipe nationale, comme on, nous l'avait dit. Mais la preuve que tant de Tilaberi à Difa en passant par Zander, Maradi, Dosso et les autres, partout, il y a des jeunes bons joueurs qui peuvent intégrer le centre et qui peuvent devenir l'avenir du football nigérien. Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant. La troisième et dernière partie de ce forum est consacrée aux échanges et aux réflexions euh, sur l'avenir euh, du football nigérien. Sekouberi Ibrahim, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer quant à un avenir radieux euh, du football nigérien mais s'il n'y a pas espoir, il n'y a pas vie. C'est ce qui fait rêver justement. Mais tout à l'heure, euh, je veux juste, revenir allez à ce rapidement. fameux 200 ah. millions dont parle Roufaï. Peut-être je le renvoie. Par rapport à la gestion de, non, Il a parlé de 200 millions qui ont été facturés alors que la SATOM a fait gratuitement les bouts de puce au niveau du Centre technique national. Je le renvoie simplement au discours du président de la FENIFOOT le jour euh, le, discours du président lors de justement de l'inauguration de ce centre, en tout cas, il va trouver. Allez-y rapidement. Maintenant, mhm. euh, c'est sûr que euh, mais nous, on, est, on est passionné de la chose, on aime la chose. Et on ne peut pas aujourd'hui venir pour dire que ça ne va pas aller. C'est sûr que ça va aller. Il faut toujours avoir de l'espoir. C'est ça qui fait vivre. Mais euh, il faut aussi se dire que les difficultés sont derrière. Elles sont là et, ils peuvent à tout moment euh, nous rattraper. Les difficultés sont là, c'est de plusieurs ordres. Et je pense que. Euh, Est-ce qu'il y a des indicateurs qui donnent cet espoir Forcément. Même le centre, déjà, c'est un espoir même le centre. Et pour vous dire, le centre, pour revenir à ce centre, il n'est pas seulement football. il y a une piscine dedans il y a une salle de musculation. Ça veut dire que euh, moins les, nageurs peuvent aller nager. <laughs> un centre. Oui. mais bon, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre cette piscine à la disposition de la Fédération nigérienne de natation Ils c'est Non, c'est toujours un plus. Donc je vois que, je vous dis que c'est sûr que le centre, c'est un instrument, c'est un instrument, mais maintenant, c'est justement l'utilisation. Comment il faut faire pour justement prospérer ce centre. Rufai Dandoua du groupe de presse euh, Liptako, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer quant à un avenir euh, radieux euh, du football nigérien Vous savez, il faut, dire. Rapidement. Il faut appeler chat par chat. Lorsque, au ministère des Sports, tout comme au ministère de la Communication, à chaque fois qu'on s'élève, on nous amène des gens qui n'aiment pas la chose. <clears throat> C'est le ministre des Sports qui dit que je n'aime pas le sport. Il le dit lui-même, moi je ne suis pas sport, je n'aime pas le sport. vous faites euh, allusion, à, l'actuel ministre. Lorsque vous amenez des gens comme ça, c'est qu'il n'y a pas de raison d'espérer. Bien sûr, Ali Cheb disait, le rêve est permis, tout Nigérien doit, rêver, doit, doit espérer. Mais avec ce genre de propos, on ne peut pas espérer. Le ministre dit que non, moi je n'aime pas de sport. Mais chaque fois, on le montre sur telle piste, telle piste, telle autre, entre, pour montrer. Non, l'habit ne fait pas le moine comme on dit. C'est vrai qu'ils ont mis en place récemment, je crois, un, comité chargé de réfléchir sur la politique sportive au Niger. Mais on en a plein, on en a mis plein ce genre de, de, comité. déjà, quand on, quand on veut faire des choses bien, il faut qu'en amenant les hommes qui sont chargés de piloter la, eh, la chose ou le sport, puisque de ça qu'on parle, il faut qu'on amène des gens qui aiment le sport. Le ministre a dit que je n'aime pas le sport. Il a dit au président des fédérations, il a dit, il a dit à beaucoup de gens. Donc si ce monsieur l'a dit qu'il n'aime pas le sport, ce qu'il n'y a pas. Est-ce que, est-ce que ce genre de propos ont des conséquences fâcheuses pour le football, par exemple Mais pour tout le sport nigérien, parce que là, c'est le ministre des Sports. Maintenant, même si les gens ont la volonté, ont l'amour, même si par exemple les journalistes sportifs ont la volonté, même si certains dirigeants ont la volonté. Parce qu'il y a une chose qu'on a, qu'on a ignorée, c'est par exemple les présidents des clubs. Moi, pour moi, personnellement, le problème du football nigérien même, c'est les présidents des clubs. Tout le monde se lève un bon matin pour créer un club, pour dire je suis président d'un club. Aujourd'hui, tu ne sais même pas c'est quoi un club, comment euh, le structurer, comment euh, le gérer. Et Regardez la multitude de club. Ça, veut dire que donc le football se développe au Niger. S'il y a ah, des clubs qui se créent. Si c'est ça développer, si, c'est ça développer, oui, c'est ça que vous appelez se développer, oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas cela euh, se développer. Aujourd'hui, à quoi bon d'avoir par exemple et 6, 7, 8 clubs de porteurs de tenue dans un pays, dans un championnat aujourd'hui qui est en train de tuer tous les clubs civils au Niger. Donc, selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière la création de ces clubs Le seul club aujourd'hui civil qui est en train de lutter pour survivre sur le Sahel. Et là encore, allez savoir que ce club a des arriérés à chaque fin d'année. Quand on finit l'année, ils ont entre un à trois mois d'arriérés. Parce que il n'y a pas. Les gens qui mettaient la main dans la poche, ils n'ont pas. Aujourd'hui, le seul club qui survivent, c'est le club et, et des porteurs de tenue. Et le problème du football nigérien, moi je pense que quelque part, si on fait une analyse, c'est là est-ce que c'est parce que le président de la fédération non, non, non, Ce n'est pas ça. Lui, il est militaire. Il y a des clubs, oui, il y a des clubs policiers, il y a des clubs de douaniers. Et encore, regardez par exemple, lorsque les sociétés d'État, avant ce n'était pas le cas, quand la Nigélec a son club, quand la SNE est en train de créer son club, quand la Sunilé crée son club, alors qui va sponsoriser les autres clubs Oh, ce qu'il faut faire. En lieu, au place de créer des clubs, par exemple, on dit si c'est l'État qui veut intervenir, l'État dit par exemple, toi Nigélec tu sponsorises. oui, toi tu sponsorises Olympique. Toi As tu sponsorises eh, le Sahel. Au lieu de laisser la Sonidep, la Douane, l'Aspen, l'Uran, euh, comment ça s'appelle, la Cominac, la Somaïr, sponsoriser les. n'est pas bien. On doit les pousser, les inciter à sponsoriser le club pour avoir un très bon championnat. Aussi longtemps qu'on va rester sans avoir un bon championnat, on n'aura pas une bonne équipe nationale et on sera toujours dernier. Koubir Ibrahim, rapidement. Oui, alors, euh, oui, tout à fait. Il a en tout cas euh, dit la chose. C'est vrai que euh, l'espoir est permis. C'est clair. <laughs> Mais sinon, on ne serait pas dans ce studio Kalango en train de vous parler de football. Mais je pense que pour que cet espoir survive, il faut d'abord les moyens. Il faut d'abord une politique on ne peut pas se lever comme ça, naviguer à vue tout le temps on ne sait pas. Aujourd'hui, vous, allez. vous venez là de dire qu'il y a des indicateurs qui sont là, qui, qui montrent que le oui, C'est-à-dire qu'il faut forcément. D'abord, il n'y a pas de constance. Il n'y a aucune politique sportive. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Donc, il n'y a, pas, d'indicateur. Non, il y a, y a des indicateurs. Il y a des Mais au niveau du ministère, vous allez aujourd'hui vous demander est-ce que, donnez-moi la politique sportive, il n'y en a pas. Il faut en créer. Il faut aussi que l'État trouve le mécanisme du financement du sport. Je ne parle pas du football, du sport. Et l'État, Dieu seul sait, peut vraiment trouver ces mécanismes. Nous sommes au terme de ce forum du studio. On a le plus petit budget. oui, en 30 secondes, on a le plus petit budget eh, au Niger. Le sport a 400 millions de francs CFA de budget dans un budget qui fait 1600 milliards de francs CFA. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Sekouber Ibrahim, journaliste et chroniqueur sportif à la Voix du Sahel. Nous étions également avec euh, Roufaï Dandoua, chroniqueur sportif et rédacteur en chef du groupe de presse Leptako Merci à vous de nous avoir suivis et merci euh, de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain vendredi 10 mars 2017, même heure, même fréquence, vous seriez en compagnie euh, d'Amado Moumouni et une équipe de journalistes pour décrypter et décortiquer l'actualité de la semaine. Merci, au revoir.